Fidèles auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans notre émission Les Niger sur Kalangou pour ce numéro de la semaine qui coïncide avec la journée internationale des travailleurs ce mercredi 1er mai 2024. À la présentation, je suis Habiba Ahmed, à mes côtés, j'ai Fanta Chamsou. Joyeuse fête de travail à toutes et à tous. Bonjour Fanta, comment tu vas Bonjour Habiba, je vais bien et toi, ça va Ça va bien. Super, alors quel est le menu du jour D'abord, le flash d'information comme d'habitude, la rubrique environnement comme nous sommes mercredi, la rubrique éco de région qui nous amène à Difa. Après suivrons les lotis préparés par l'équipe femme du studio Kalango et notre page sport. Et dans la partie entretien du jour, notre invité est Boubacar Hamani. Il est le secrétaire confédéral de la Confédération syndicale indépendante CSI du Niger. Avec lui, nous allons échanger sur la fête du 1er mai au niveau de leur centrale syndicale. Le Niger sur Kalango, c'est aussi la consommation 100% de la musique nigérienne. Top, c'est parti pour une heure d'information et de divertissement. Chers auditeurs, suivons à présent le flash euh, d'information avec Samira Rouafi. Bonjour Samira. Bonjour Fanta, bonjour Abiba. Bonjour Samira. Quelles sont les nouvelles ce matin le Flash à présent, ce jour 1er mai est célébré la fête du travail chaque année. Des manifestations sont organisées dans le monde entier pour réclamer des meilleures conditions de travail et un renforcement de pouvoir des syndicats. C'est ainsi qu'au Niger, la matinée est consacrée au traditionnel défilé et l'après-midi, la remise des cahiers de doléances et la décoration des travailleurs distingués. À noter que, pour des raisons de forte chaleur, certains syndicats ont changé l'itinéraire du défilé. À Geshemé, région de Dosso, les communautés de Dalol, notamment les Hausa et les Peuls, ont signé hier 30 avril 2024 un accord de paix pour la prévention de conflits sous l'égide du Centre de dialogue humanitaire HD. Les autorités coutumières et administratives de Dosso, dont le gouverneur, ont assisté à cette signature qui intervient après cinq mois de négociations le ministre de la Justice avec l'appui, le ministère plutôt de la Justice avec l'appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme organise à Dosso depuis lundi 29 avril 2024 un atelier d'orientation et de cadrage pour l'élaboration du deuxième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le présent atelier de trois jours rentre dans le cadre de l'élaboration du deuxième rapport du Niger. Le premier a été présenté en 2019. C'est tout pour le flash d'information. Merci Samira pour toutes ces informations. Bonne journée. Merci. Chers auditeurs, comme annoncé plus haut, nous suivrons un entretien avec Boubacar Hamani. Mais avant d'en arriver là, nous allons écouter une musique. Il s'agit du titre Zakara Yako, Yako cette chanson du groupe La Kalkane. le titre quelqu'un Calcanet que nous sommes en train d'écouter. J'espère que tu as déjà écouté ce titre. Oui, Fanta, je dirais plusieurs fois d'ailleurs. Et à chaque fois que j'écoute ce titre, ça me renvoie automatiquement à l'époque de l'avènement du mouvement hip-hop au Niger. J'avoue que les rap à cette époque était plus vu comme un canal de transmission de messages positifs à la jeunesse, contrairement à nos jours où les rap a plus une dimension commerciale. Effectivement, Abiba, et il y a du très bon contenu en termes de messages positifs à la jeunesse dans ce morceau. En plus, la particularité de cette chanson, c'est aussi ce mélange de rythmes sonores très agréables à l'oreille. Et c'est une chanson, je le rappelle, hein, qui appelle les gens à aller travailler en cette journée spéciale du premier er mai.

Ури Абоки, который Camus, de Niger. ina makwai masu girbi kwai kulu kwai aiki tuka, aiki kai nongo fogo nongo fo asin da na fa irsi ba fori zaka matun bakul matun go kwai kwai akon na fa mo kwai gali kwai fari kwai mo kwai dunguri kwai makwai makwai le temps presse, oui au fil du temps presse. Au secours, travailler, c'est mieux que d'être chômeur. Personne ne sert vraiment à rien. Alors tu grises, terrorise le territoire. À qui lève-toi et mets-toi au travail. Car le coq a chanté, a chanté, a chanté, a chanté. Car le coq a chanté. Zakaria Coca, Wayo oh, Zakaria Coca. key. Voilà, chers auditeurs, c'était Zakaria Koka, un titre de la Kalkana spécialement dédié à tous les travailleurs qui sont à l'écoute en ce moment, spécialement à ceux du studio Kalangu. Un spécial coucou à l'équipe sur place actuellement. Passons à présent à notre entretien Fanta. Dans cette première partie, les secrétaires confédéral chargés de la communication nous parle des préparatifs de festivités du 1er mai et du contexte dans lequel la centrale syndicale indépendante commémore cette journée. Et aussi pour l'édition 2024, le secrétaire général confédéral de la CSI Niger adresse un message à l'endroit des travailleurs et aux décideurs politiques. Écoutons Boubacar Hamani au micro de Habiba Ahmed. Notre euh, centrale syndicale est une structure. On est créé il y a seulement quelques mois. Donc, on euh, vit aussi euh, les moyens et la précarité de la situation. Donc, nous avons quand même programmé de célébrer euh, cette euh, importante journée de manière très modeste. D'abord, la journée sera marquée par euh, le message du secrétaire général confédéral à l'endroit des militants, de l'ensemble des travailleurs et des autorités politiques, entre autres. Et ensuite, le bureau confédéral, avec l'implication des responsables syndicaux, des structures membres, a prévu d'organiser un forum sur le thème Réponse des organisations syndicales aux aspirations des travailleurs et des peuples dans un contexte d'élite souverainiste. Ce forum regroupera euh, les membres du bureau confédéral, les responsables des structures membres de la CSI Niger, euh, les camarades militants de la centrale syndicale, et toute autre personne désirant prendre part à la rencontre. Après cela, troisième activité pour cette journée, à l'occasion euh, de l'édition 2024 de la Fête du Travail, il y aura l'apparition et la présentation du tout premier numéro du magazine syndical d'information et d'analyse intitulé Écho des travailleurs indépendants. Il s'agit d'une tribune au service des travailleurs et des peuples mise en place par la, euh, force syndicale CSI Niger en réponse aux besoins d'informations fiables et d'analyses objectives en lien aux activités socio-professionnelles euh, dans tous leurs aspects. Dans quel contexte vous avez célébré cette journée L'édition 2024 euh, de la fête du travail intervient de façon générale dans un contexte socio-économique défavorable. Aussi, il se trouve euh, que la Confédération syndicale indépendante, euh, euh, la force syndicale CSI Niger, est une toute nouvelle centrale syndicale, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc nous n'avons pas vraiment pu réunir comme nous l'avons souhaité les moyens nécessaires pour faire vraiment une fête euh, entre guillemets grandiose, mais nous allons tout de même apporter notre pierre à l'édifice pour que nous aussi, les gens sachent que nous sommes là et que nous avons l'intention vraiment de marquer euh, l'histoire syndicale du Niger par notre présence. Quelles sont les attentes des militants de la Confédération syndicale indépendante du Niger Les militants de notre structure syndicale, de notre gêne centrale syndicale, D'abord, ce sont des gens qui sont vraiment très engagés à se mettre ensemble pour euh, atteindre les objectifs euh, de notre organisation. Euh, donc, je crois que leur attente, c'est ce que de part et d'autre, au niveau des responsables syndicaux et du bureau confédéral national, ils n'ont qu'à tout mettre en œuvre pour accomplir la noble mission que ces membres leur ont confié. Donc à cela, on peut aussi dire que un militant qui s'engage dans une structure syndicale, euh, sa toute première attente, c'est d'abord euh, la forte implication, l'investissement plein de tous les militants en quelque sorte et des, responsables euh, syndicaux, du bureau aussi, des, différentes euh, structure au niveau de l'organisation pour que la mission soit accomplie vraiment dans de très bonnes conditions. Et aussi, oh, si je peux me le permettre, la force syndicale CSI Niger, surtout au niveau des responsables, eux aussi, ils attendent beaucoup de choses auprès des militants. La mission qui leur est confiée ne peut être menée à bien sans ce ferme engagement avec lequel les militants se sont engagés et se sont euh, mis dans la lutte syndicale pour mener leur lutte syndicale au sein euh, de la euh, CSI Niger. Donc nous estimons que franchement, elles vont aller, ce serait un engagement constant qui va nous permettre, et un soutien aussi de tous les jours qui va nous permettre de mener à bien notre mission. Voilà, c'était la première partie de notre entretien avec euh, Boubacar Hamani, le secrétaire général confédéral de la CSI Niger. Avant de poursuivre, soufflons en musique avec le titre Masutahia de Maman Sanimati. Mathieu alias Admulumla qui vient du nom d'un de ses nombreux titres phares bien connus de mélomanes nigérien, s'est lancé dans la musique vers 1997. En collaboration avec un groupe d'amis, ils ont fondé le groupe de rap Mazanfegui, l'un des groupes précurseurs du mouvement hip-hop au Niger dans les années 1990. Depuis 2005, il évolue en solo avec un style traduit moderne conciliant les instruments ici de ces deux mondes, notamment les Gurumi, les kalangu, les Ganga et garaya. Il est né à Tessawa, il est chanteur, auteur, compositeur, interprète et instrumentiste avec plus de deux décennies d'expérience. les conditions de vie meilleures et le bonheur. Immigrants nigériens, nigériens, sénégalais, somaliens, maliens, congolais, camerounais, gabonais, ghanéens, situation irrégulière en Occident. Pourquoi mettre autant de moyens physiques et financiers pour vivre dans la clandestinité Au risque de l'obscurité, avec comme finalité la violence, le refoulement, le rapatriement. Candidat à l'immigration internationale, clandestine, ton sort dans les îles Canaries me chagrine. Pourtant, Exodus, L'être humain est sacré, souviens-toi. Dans nos pays, l'étranger est roi. Nous cohabitons dans la joie, l'amour, la paix autour de toi. Aucune famine, aucune famine, aucune maladie, misère n'a pu ternir notre dignité. Et avec fierté, on marche vers le chemin tracé par notre destinée. Voilà, chers auditeurs, c'était le titre Matsu Tehia de Mamansani Mati. Si vous venez de prendre l'émission en cours, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou. Et dans la deuxième partie de notre entretien du jour, le secrétaire général revient sur les innovations que la centrale syndicale compte apporter à la lutte syndicale dans le pays. Écoutons le SG euh, Boubakar Hamani au micro, toujours de Habiba Ahmed. Qu'attendez-vous du gouvernement nigérien Pour ce qui est du gouvernement, il y a plusieurs attentes, mais je peux évoquer quelques-unes, notamment l'implication encore beaucoup plus forte du gouvernement en faveur de la justice sociale. Parce que la justice sociale, Oh, c'est elle qui est oh, le fond de tout dans ce pays. Surtout nous, au niveau de la CSI Niger, notre lutte est essentiellement axée sur l'employabilité l'emploi des jeunes. Donc euh, nous, nous espérons que le gouvernement va s'impliquer davantage puisque déjà les, nouvelles autorités, les autorités de la transition, elles ont eu à faire montre vraiment de leur volonté dans ce sens. Euh, la réouverture de l'école, c'est une, une forme euh, vraiment noble de justice sociale. Il y a aussi la réintégration des contractuels qui ont été révoqués. Donc tout ça, c'est vraiment quelque chose de très probant et nous exhortons le gouvernement à s'impliquer davantage dans ce sens en faveur de la justice sociale. les Niger compte aujourd'hui une dizaine de centrales syndicales. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre votre centrale et les autres Au niveau de notre centrale syndicale, l'emploi des jeunes est une priorité d'abord en raison des conséquences néfastes du désœuvrement de la jeunesse sur la sécurité des personnes et des biens, euh, sur la quiétude sociale et la paix, qui servent de base à toute démarche de développement durable. Parce que nous, au niveau de la force syndicale CSI Niger, nous estimons qu'il faut pousser la lutte syndicale au-delà du simple défense des intérêts des travailleurs. Il faut aussi contribuer à asseoir un développement durable dans le pays parce que c'est une condition essentielle pour la, conservation d'abord de l'emploi et même pour accroître l'offre d'emploi parce que dans un pays où le contexte socio-économique est très défavorable, c'est pas facile de trouver des emplois et puis ce n'est même pas facile pour les entreprises et les autres employeurs de conserver les employés. Donc il faut non seulement œuvrer euh, pour l'emploi et l'auto-emploi des jeunes, des autres travailleurs, mais aussi il faut faire en sorte que le développement durable soit une réalité pour la pérennisation du bien-être des travailleurs et des peuples. Sur le plan structurel, il peut y avoir aussi une différence, il peut y avoir des spécificités au niveau de la CSI Niger parce que nous, nous avons des départements spécifiquement dédiés à une certaine catégorie de travailleurs qui ont des besoins spécifiques, et notamment les jeunes, les femmes, les personnes handicapées, euh, les travailleurs migrants aussi. Donc tout ceci, euh, c'est dans le cadre de l'innovation que nous aimerions apporter pour notre part à la lutte syndicale de notre pays. Nous insistons également sur la participation au développement de la société, à la prospérité du pays. Donc, euh, quand on parle de prospérité, justement, parce qu'il y a un préalable, dans chaque nation, il faut d'abord euh, l'indépendance totale, la souveraineté, la paix, l'unité, donc tout ceci, ce sont des, choses qui, euh, dans lesquelles nous, nous comptons vraiment nous impliquer pleinement euh, pour contribuer à mieux asseoir au développement durable de notre pays. Toujours sur le plan structurel, en dehors de ces différents départements que j'ai tantôt évoqués, il y a également euh, les unions confédérales euh, locales, c'est-à-dire régionales, départementales, communales. Il y a les unions des adhérents. Il y a également euh, l'Union confédérale des personnes retraitées, parce que les personnes retraitées sont des personnes aussi qui ont des besoins spécifiques et la CSI Niger tient compte de ces besoins-là. outre cela, nous sommes également très très préoccupé par les personnes sans emploi. Là, nous allons essayer, en tant que faire ce pays euh, euh, de les impliquer en synergie avec eux, de, de chercher des voies et moyens pour contribuer efficacement à la euh, réduction du chômage des jeunes dans notre pays. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens Alors câblez-vous sur votre émission du Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangu est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangu. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Il est 11h passé de 27 minutes et c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de l'émission Le Niger sur Kalangu. Parlons environnement, chers auditeurs, et direction Ingigmi, région de Dufa, pour parler d'une activité qui est à la fois bénéfique et destructive. Effectivement, Aviba, dans cette zone, la production du charbon de bois est très développée et ce sont des centaines de tonnes de charbon qui sont produites chaque année. Une activité génératrice de revenus, mais qui malheureusement contribue à la dégradation de l'environnement. Suivons ce reportage réalisé à Langhausa par Asuma Nashina. Sarrafa gawai sana'a ce da ta bunƙasa sosai a gundumar gingimi da ke jihar Difa. alƙaluma ma'aikatar gandun daji ta gundumar sun nuna cewa sama da ton 2023 na gawai ne aka sarrafa a shekarar 2023 da ta gabata. Amma waɗannan alƙaluman sun shafi mutanen da ke karɓar takardar izinin sarrafa gawai a ma'aikatar gandun daji ne kawai, domin akwai mutanen da ke yin sana'ar ta barauniyar hanya. Wasu daga cikin masu sarrafa gawan sun bayyana yadda suke sarrafa shi da kuma dalilansu na shiga wannan sana'a. To aikin gawayi abu ne wanda ya zamanto cikin daji muke 去。 daga cikin daji in ka dubi ice wanda ya zama to busasshe ne shine za mu sama wuta muka sa mishi wuta in ya kone sai mu binne in mun binne ya komi da komi sai mu tattaro mu kama sai da shine muke samu abin rihin asirin mu mai yawa dai kangar ne manyan manyan kangar wanda ya zama ya bushe shine muke sama wuta mai gawayi da shi mu kawo mu sai da alhamdulillah abinda nan zaka ci zaka sha kana rufe asiri komi da komin ka da yaran ka sai ka ce alhamdulillah babu wani maganan takarda haka muke yin lamarin mu mu kama sai da babu maganan takarda a cikin lamarin nan takarda wani lokaci in mun haɗu da su kaman su za ce aje a yi takarda. Shi dai wannan gawayi ana amfani da shi ne don girki cikin gidaje. Ko ne dalilan wasu mazauna yankin na gingime na gwamma cewa yin amfani da gawayi maimakon wani makamashi daban? Ga bayanin waɗannan matan. Eto eh abin da ya sa muke aiki da gawayi saboda bamu da yawan gas a garin nan tunda yanzu haka matan masu gas ma in ya kare inda zaka cika ma baka sani ba inda a ce akwai gas da ka gani bai yayuwa mai aiki da icce ko gawayi shi kan shi gawayi ma matsala ne tunda ka ya kama sai ka nemo ciyayi ka hada mishi kannan ka kunna akwai gawayin da in ka sa mishi leda ma bai kama sai ka je makwabta ka dauko garwashin wuta ka dora mishi kannan ya kama rishin gas shine yake sa mu aiki da gawayi da kake gani inda a ce akwai shi da mun bari kuma yana da farashi bashi mai sauki tun da yanzu dan karamin buhun nan kana samun shi dubu biyu ko dubu da ɗari biyar ka gani ya ishe mutum aiki sai mutum ya aikin shi kwana biyu bai wahala ba kuma ma gashi nan kawai a cikin gari ko ina gawayi akwai shi ko yanzu ka fita zaka ga gawayi akan fulani suna yawon shi kuma ko makwabtanka zaka ga masu saida da akwai na naira hamsin yanzu ne ma kuma naira ɗari ɗari dalilin yanayi da ya kama. gaskiya gawa wannan ya fi sauƙi in kana dafa abinci don saboda in ka ɗaura abincinka sai ka ga ba tare da ka ta yi ka dawo ka yi ta diba menene ba sai ka ga abincin naka ya dafu ba tare da ka sha wahala ba in dai misalin a ce kamar ice ne wannan kana tayya kana dawa kana fifita kana shan wahala amma gawayi ya fi sauƙi kuma gawayi nan arha ne da kuɗi kaɗan ma ka siye shi ga kana amfani da shi kamar yanzu ala misalin gawayi wanga na jika ma in ka siyo kana iya abinci da shi in dai kuma buhu ne kaga buhu ƙarami wannan in ka siyo shi misalin dubu da ɗari biyar lokaci dubu biyu sai ya kai ka tsawon lokaci ice wannan kaman wahala gare shi wannan in an ka fura wuta wannan kana tayya kana dawo ga hayaki yana sa ka ciwon ido ciwon kai kana filfita wani bi yana mutu amma ga wannan daga ka kunna ka bari bai ya mutuwa sai dai abincin ka ya dafa ka kare da shi eh to muna amfani da gawayi ne saboda gaskiya bai da wuya in an ce bai da wuya kaman bai da wani takura haka ya samu wani hawaye da wani hayaki da wani ciwon kai bai da shi gaskiya kenan inda ma a ce muna da hali ma da da gas ma za mu yi aiki fulani ne suke kagowi daga daji kuma muna samun shi ne a farashi mai dan sauki haka daga ɗari bakwai dai zuwa dubu guda haka Karamin buhu babban buhu wannan mai santola ana iya samun shi dubu biyar dubu shida duka wannan haka yana kaiwa shi ice gaskiya yana da illa sosai yanzu za ki je ki tsuguna kina aiki da ice saman rana shi ice ga hayaki ga fufuta yana da matsala sosai gaskiya sai dai wannan sana'a ta sarrafa gawai na tattare da illoli masu yawa ga muhalli a cewar ƙwararru na wannan fanni laftana kanar amadu umaru shi ne shugaban ma'aikatar gandun daji a gundumar gingimi shi diba gawai gaskiya yana da illoli da yawa tunda kamar misali ai ice yana mana kariya kala kala yana kare mana hamada yana kare mana zaizayar kasa yana kare mana kuma kama ruwan mu haka kamar nan tunda muna da lakcad kamar shi na kare muna eh, lakcar din nan to kenan yau da gobe da gobe ana ɗiba shi duka wannan kariya kariya din duka bacciya za su yi musamman za a samu kamar abin da ake ce ma erosion eolian za su kawo ƙasa ya binne yau da gobe yau da gobe ma din zai iya bacewa bancin shi kuma a cikin eh, dajin nan akwai eh, namun daji da ke ciki kenan shi ma yau da gobe yau da gobe ana hidda itacen namun dajin za su bacewa tunda a yanzu ma kai gaskiya namomin daji da da ake samu yanzu saboda wannan abun duka diyawa babu su sauran sun bace saura sun gudu sun yi wani waje inda suke ganin kamar isa an security bayan shi kuma kamar lokacin da shi ake ɗiba sharbankin nan tunda kona eh, shi ne ake yi su masu kona shi in ba su kula ba shina cikin abun da ke wani lokaci yake kawo hutar daji eh, in aka in hakura shi na in ba a kula ba daga nan hutar daji tana iya ta tashi sai ta yabo cikin daji a takalilan da gaskiya shi wannan ɗiba sharban in yana da matsaloli da yawa bisa kai ga abin da shi muhallin kiran da magabatan ma'aikatar ganin daji ke yi zuwa ga al'ummomi shine su nemi takardar da ke ba su izinin sarrafa gawai daidai da yadda doka ta tanada sarrafa gawai dai na ɗaya daga cikin dalilan da ke janyo taɓarɓarewar muhalli a cewar masana a Nijar a jihar Agadez da jihar Difa kaɗai ne hukuma ta amincewa mutane su sarrafa gawai kasancewar dazuzzukansu na kumshi da wani nau'in itatuwa masu saurin farfadowa. Un reportage signé Asmana Shina. Poursuivons en musique avec cette fois-ci le morceau Goro de Abdou Tambaliou. C'était les titres Bobongoro de Abdou Tambelio. La région de Difa est à l'honneur dans cette émission Le Niger sur Kalango. Fanta, retournons dans cette région pour parler des violences basées sur les genres VBG et c'est dans la rubrique Écho des régions. Et oui, Biba, nous avons réalisé un entretien avec Binta Ousseini, une femme déplacée interne qui se bat contre les cas de violence basées sur le genre dans sa communauté. Découvrez hein, son combat passionné pour l'égalité et la sécurité pour tous dans cet entretien qu'elle a accordé à notre correspondant Guidi Abdraman. bebeje wannan sa kaina na yi ni bolantar ce ba ɗauka na aka kawai gani na yi wannan bangaren ya dace babu wasu kungiyoyi da ke ɗaukar nauyi har yanzu muna aiki har yanzu bamu samu kungiyar da ta ɗauki kula da shi ba da lokacin da riski take zuwa tana ɗaukan bebeje to da riski ta barna babu wani furojen da yake daukan bebeje kuma bebeje kamar yanzu a sansani wannan akwai shi da yau. wa'yansu babu ne a'a akwai ne suna wulakantar da matansu wani abu in kika gani wallahi sai kin zub da hawaye ya kuke yi idan kuka ji hakan ya faru muna zuwa mu yi sasanto da kyar matan da muke roƙa su maza idan ya kama muna musu barazana kenan wannan abin da kuke za mu iya kai shi gaba wannan bai dace ba a ce namiji yana kama mace yana kasa haka can da da aka yi aure ba a yi wannan jahilcin ba ta yaya yanzu mu da muka zo bayan su yanzu mu kama muna wannan to in muka samu mai hankali namijin yana fita ya bar gidan ita kuma matar saboda arzikin 'ya'ya mu lallaba ta mu ba ta hakuri in muna da wani dan abin da za mu iya bata mu bata in ban mu da shi dai mu ba ta hakuri sai ta tsuguna ta zauna kuma yau din nan idan wata matsala ta tashi suna zuwa su gaya mana to mu inda za mu kai koken kamar yanzu bangaren yaran mu da muka samu kungiyar da take taimaka shi ana samun sauki to an aka samu irin wannan ana samu kin ga shi ma wannan za a samu sauki amma yanzu kwata kwata babu inda muke kaiwa sai dai a junan mu ka manyan mu su zo maza da tijawa su dan yi bayani a dan yi jan kunne wani ana samun sauki wani kwa ba sauki sai dai koye ya gudu daga karshe ma namijin ya gudu ya bar iyali to kin gani babbar matsala ke ana samun fade sosai a wannan sansanin gaskiya ba a samun fade sosai amma wani lokacin ana samu tunda yanzu haka ma akwai wanda kotu ta sa shi gidan kasu akan wata yarinya wannan tabbas ni na bada shi kuma an ɗauka kuma ana nema mata hakki to wani matsaloli kuke fuskanta a tafiyar aikin ku matsaloli kawai da muke fuskanta irin kamar misali wanda bai san kan aiki ba kabin ki samo kanshi akwai wahala amma in wanda ya san kan aiki ya sani ma zai zo da daddare ya zo ya gaya mana ya ce gashi gashi gashi mu ce to ba a faɗa bakin ni ma in na buɗe na faɗa na ci amanar abu muna rufe bakin mu in ya kai mu gaya musu su kungiyoyin da suka ɗau wannan matsalar mu gaya musu in bai kai mu gaya musu ba za mu kashe wuta an na kashewa ne in ba na kashewa ba ne gaskiya muna daga sama na bangaren matan nan ya fi mun ciwo ina son su ma idan sun zo sun faɗa a nema musu hakkin su Bangaren matan to akwai wata yarinya ma ga ta nan da yara ba gidan take ba yayi bi digon ma kuma tashi ma ya bar wannan sansani kawai ya koma wani sansani a gaban uwarta take eh wani zai yi duka wani kuma zai bar miki gidan ma yake kwana da kwanaki tun shi to amma ke macen da kina da wani dan abin da kike kamawa za a ji sau amma baki da abin da kike kama shi ba shi da abin da zai baki a kaka gani ai akwai matsala Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur du jour, Sariu Adam. Bonjour Adam. Bonjour Fanta, bonjour Abiba. Bonjour Adam. Alors, euh, depuis quelques mois, le MENA AD se prépare pour les éliminatoires de la Cannes de sa catégorie, n'est-ce pas Eh bien oui, pour plus de précision, nous nous sommes rendus au Centre technique national de la FENIFOOT où les U19 du MENA séjournent depuis des mois. L'entraîneur Mohamedou Bachir dit Coach Arizona nous fait le point de cette préparation. Le cette préparation avait commencé il y a quelques mois avec euh, un tournoi de détection où toutes les sélections régionales du Niger étaient à Niamey pour euh, six jours où les techniciens de la direction nationale euh, ont procédé à une détection d'une cinquantaine de, jeunes talents qu'ils ont mis à notre disposition. Donc durant des semaines, nous avions eu à jouer entre nous pour pouvoir peaufiner, et laguer et sortir à euh, une trentaine que nous avons mis au vert au niveau du centre technique national. La dernière étape euh, dans laquelle nous sommes, c'est la préparation proprement dite, où nous sommes euh, en train d'effectuer une série de matchs avec des clubs de Super League, des clubs de Ligue nationale, pour pouvoir vraiment se préparer, asseoir une équipe compétitive pour pouvoir entamer la compétition par rapport à l'esprit de groupe, c'est vraiment euh, dans la causerie, dans nos comportements nous-mêmes encadrés et dans ce que nous leur apprenons, que nous leur euh, exigeons ce comportement-là. Notre euh, objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Adam, parlons à présent de la 23e journée de la Super League du Niger qui a débuté hier. Deux rencontres ont eu lieu hier pour le compte de cette 23e journée. D'abord AS Police contre Akukana FC Darlit, un match très fermé des deux côtés, score final 0 à 0. Ensuite, la Renaissance de Bukoti s'est imposée face à l'Urana FC d'Agadez sur le score de 1 but à 0. Et quelle est la suite euh, du programme de cette 23e journée Ce soir, le Tagour FC de Dosso reçoit l'AS Garde Nationale et le Liberté Football Club accueille le Zongorzo Football Club de Maradi à Niamey. Demain, il y aura deux matchs à Niamey, l'Olympique FC contre Espoir FC de Zender et l'Union sportive de la gendarmerie nationale contre le Zumunta. C'est tout pour aujourd'hui et à demain pour un autre numéro. Merci beaucoup Adam pour toutes ces informations et bonne journée à vous. Bonne journée. Bye bye. Bye bye. Alors Habiba, poursuivons avec euh, le portrait du jour. Et le portrait de ce mercredi Fanta nous conduit à la découverte d'un jeune artiste, Adamou Soumana dit Eldam originaire de Torodi, région de Tilabiri. Rappeur de son état, Adam Soumana chante en langue fulfulde. Son portrait est réalisé par Oumu Oumoro, rendu au studio Kalangu par Asumana China. Dan shekaru 28 Adamu Sumana da aka sani da suna El Damsero, matashin dan wasa ne a Torodi, ya so masana'arsa ta waka a shekarar 2019, wannan da ya fi karfi shine rap a harshen fulfulde. Ya yi bayani kan yadda ya soma. Kafin ma in fara waka, rawa na zaman yi. Daga baya ne na daina don in samu in mayar da hankali akan waka. A nan Torodi ne na fara waka, amma da Hausa nake yi da zabarmanci. Daga baya ne 'yan uwana suka bani shawarar in yi waka a harshe na na Fulanci. Kamar yadda kuka gani a nan Nijar, babu mawaƙin salon rap mai yin fulanci. Na gode wa Allah don hakan ya taimaka min sosai. Tun waƙata ta farko mutane suka fara gayyata ta. Tun nan na gane zan yi karko a ciki. A nan kasuwar bisashe na yi bidiyo na na farko. Mu takwas ne muke aiki tare sannan akwai 'yan mata a tare da mu. Shaidu Alzuma ɗaya daga cikin abokansa da muka haɗu da su na yabawa da aikin matashin mai waƙar rap. ya kuma shaida cewa musamman matasa na ƙaunar waƙoƙinsa. El lalle bai shima a cikin waka ba amma fitowar nan tashi ta sa ya tallafa wa wasu mawaƙa ma da dama kuma mu kam sai dai mu yi masa godiya don ya fito sunan toroɗi sosai ya yi wasanni a cikin ƙasashe da yawa ga kuma harshen fulanci da yake yi ko a cikin fadodi za ka samu matasa suna sauraron waƙoƙin shi. El na fatan ci gaba cikin harkar wakar rap domin ɗaukaka harshensa na uwa wato fulfulde. Babu abin da ke da sauki a rayuwa, kawai mutum ya sa ƙwazo ya kuma dogara da kanshi. Yanzu na kai shekaru uku zuwa hudu da na fara waƙa. Na taɓa tafiya a Bijan, Mali, Ghana, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Lome da wasu gurare da dama. kum duk saboda harshen Filantin ne ake gayyata ta. Tun da yanzu ba abu bane mai sauki a samu matashi ba Fulatani mawaki. Kenan in magabata ba sa dafa mana ba za mu samu ci ci gaba ba. Albarkacin wakarsa El Damsero sunansa na gaskiya Adamu Sumana da tawagarsa sun zagaya sau da dama cikin kasashen Afirka musamman a mayan birane. Voilà, c'est un reportage signé Oumu Umaru. Bouclons notre playlist du jour avec la chanson Marie et tout de Bonkana Maiga. chanson Marietou de Boncana Mega, les Niger sur Kalangou se poursuit avec la chronique Loti, qui parle de la propagation de fausses rumeurs, une pratique qui peut porter un préjudice sur quelqu'un. Justement, Biban propageait des ragots et des fausses rumeurs sur autrui et néfaste, un sujet que les femmes du studio Kalangu abordent avec un sérieux dans le loti d'aujourd'hui. Elles explorent les impacts sociaux et émotionnels de ces comportements dans une discussion entre Rekia Arimi et Aminata Boubakar. loti loti loti asiba murayang <laughs> hey hey aliya gungum hey ifa no gogtewo ifa sai gungum son dare hina ne di bismot ciradi naga ai siba am di ir to kalamate ifo si ni kyorono ayya ai bayan waga zakir na kurana da kyar labari a ah, aiwo kamantai ni mana mahaika te hannu sinu ifo na tasi hmm. ine kan ingino na hannu safar a hannu sin da ba nimi mhm mai no kini yadin. Ku kura borai no gode gidirgi ci yadi ni to kiyai se ifo ma ga sino rahina ga wadin tasi hmm zam sai rahina wono rukoni zunomi a gwanda a rusu hannu yadda a rusu no niya. to rahina bin da ingino ya yi kunno sasi a sino akwai ga safar mutum. rahina mono ya talkai zunu a ga can sai dai no akwai gasafa Irkwai beri na dira ni bun bosan nowa ni si babai matukan no abin wogo gada haifa ma hakoi dinbo ni ga bai kan arsilam raira, haubor gayan zunubu beri no soko bun boda ba ni ga haya bai ni di moni moni si ba san no bon ai bai ayya bin da haikan ai ma man ti ba san nono wadini Ini kan dumai zidoro no na di nadira ma hagwai dinbo watu kul na gine ni sai mafatta hayai wura ga kaga da sanni sanni foyen hangan hmm ya dinnu amma da kimno don ni sanni fallan kaki yayi si hmm. nadira da kimino ayo gane ni sai kan an dunya wo sara ni mu wangi boro a wani harose ni di kan harino kan sibore to ni di masabun da haikan goni sai amma beri ni ga barfo wani masin moka da kimino nadia wadi ma ga se ni gine ni wana mu beri ni ga ya dinnu ni gicim hmm, hmm. son dai ne ni bumbo ni goken sai ga binde hai fai chwaga mutuno ni te go wane mi lai ga to ni di wala matikan ni ni mondo ma dan kyarra ya kinu no rahina bumbo da ai bai dai dama sanno bina ga sara mm, ni gicim to bisa irmir fandadi amma ai gogin hanga kendi hino dindira hina masine nigtugutugu nigkoyga diigasanay woki aman hay kulte irse yaadino yaadino ayniyay fahamay ichwara to irumukwe Lotzi! Lotzi! Lotzi! Lotzi! Lotzi! grand merci aux desk femmes de la rédaction pour ce multiple conseil. À présent, accueillons Alassane Abdou pour la culture linguistique. Je rappelle qu'Alassane Abdou est le rédacteur en chef du studio Kalango. Bonjour Alassane. Bonjour Abiba, bonjour euh, Fanta Chamsou. Bonjour Alassane. Bonjour. Alors quel est le mot du jour Le mot du jour euh, d'aujourd'hui, c'est le travail. Quand on n'a pas de travail dans une famille, on devient la rigide de la famille. Quand on n'a pas de travail dans une famille ou dans un foyer, si c'est le mari qui ne travaille pas, il devient aussi n'importe quoi dans sa maison. De telle sorte que le travail, c'est une chose importante dans la vie de tout être humain. Et quand il y a le travail dans une famille, même si tu es le plus petit, il devient le grand frère parce que tu es respecté. Donc voilà pourquoi quand on voit les jeunes qui se battent, quand on voit tout le monde, chacun cherche vraiment à avoir cette chose-là qu'on appelle travail. Il est bien vrai, travailler ne veut pas dire uniquement être dans un bureau. C'est avoir quoi faire qui va te rapporter quelque chose. Mais aujourd'hui, surtout spécifiquement la journée d'aujourd'hui, le 1er mai, le travail a un grand sens parce que c'est la journée des travailleurs, la fête des travailleurs, disons. La fête des travailleurs ne veut pas dire la fête internationale du travail, non. Il faut qu'on fasse aussi, euh, il faut qu'on essaie d'éviter la confusion. Vous mm-hmm. vous rappelez, il y a quelques années aux États-Unis, ça fait même plusieurs dizaines d'années, mm-hmm. quand des femmes se sont réveillées pour demander et pour dire trop c'est trop. Après plusieurs années de lutte aux États-Unis, un peu partout, les travailleurs ont commencé à dire non, ça va. Il faut améliorer nos conditions de vie, nos conditions de travail, nos ceci, cela. Et le 1er mai a été choisi dans le monde entier pour célébrer la fête de ces travailleurs-là. Voilà pourquoi le 1er mai, chez tous les travailleurs du monde entier, a une place importante. go koy godo aigo goy terino barkan sindigoy na mulsu ta furku ani miyaldaran bodin sindigoy borkul sin sanira diniti kena din ni ninogete bere wosi goy borno al borno zankuno bokko ka na goynagoga cici goy manta bikka goy hinne ni ya dema badda hankan ka biyakate ni niga nafa kan manti wakan irsi ba zambure side kala zai tare mu goyno irsi wajen dumga wo sabbusi hun kun zari yo zari bambatu no goitere kulsi zama hun kun zari yo goitere an dunya men da men ra, iga fatta ka cebe har kan ga gogate mat kan ga goyi gogate da sandai kan ga godi tabe kan ga godi gin bore se kan ga dukunan im koika i wani murada ti ya diniga hun kun wo sabbu seno irna sanni zo sun kan ka fere bore se wo sigine goyi Irsa merci beaucoup à vous et à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité au programme du studio Kalangu. Vous êtes euh, nombreux à nous envoyer vos messages, écoutons-en quelques-uns. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. abubakar zakari balla zangborno zan borno kartiyagu ai ga ngani studio kalangu ai ga ngani niger sir kalangu baden balli cine zarmi cina sanni france cina ikudde igno igete asiptoane agi no de izami cinkino de la labaren kan kanvers igida rapen ir furta je wonai igida mo won kayan bisa kulni gidan kam kan borai gangana acine aci isufu ai ga no fo ga bani ha bubakar ngumo ai no fo ga bani ha si kala ne da balara sha muhammadu ngumo no fo ga bani ha si kala ne da zarmai kurai kalangu goitere ma mai fogo gi bane ha ti yusuf idrisa kango e kola gore zado sani kora studio kalangu se gira lalle ya gi gi hangan ida er se rap yanda house kin do do ne din dai da zamani do ni do ne din ni o se giro gida talata kulu labare ki gano house kin bon ngana zarma ci ne bon ngana fulanci ne da ballaci ne ngana faransanci ne bon niger sir kalangu atinnu kulu kalamu koi jummu kulu ga guro e cin da fo kalamu guro e cin dinka no ga ai ga sabu studio kalangu sigiro se da go cere ma kan gabo dai zainabu abdu kango radio dalol inganda rabi kango zainabu abdu radio dalol ko arjarga mamma kan sigine hadiza kango sani kora ra kan sigine majir mofo ki ra kan sigine yakuba kuli gone o az ko arjarga fi radio dindo mubaraka run ne se balla yara to wallahi sigire ki gidan bawa la ba ken ta kan jama'a fa isporo gamzin yanne furta jawana dalla vide fada da zaman don don ki gidan studio kalangu irna ma inga kuligida wai bore zan kai ala kai ban fakara kuligida lan ko yi no faranse yi no skini yi no zarmcine sintina ai ga chura fo kan si ne isu rafu kan si ne majid da kadar da abdul karim da kadar koine ai mayo ummu salam kan go balla yara aiga hangan studio kalan sigire igi labar tabbatan tenno wai bare jiro. labar kigno mo za atinno kalam koi mu koi alzuma niger sir kalangu za guru wakin difo kalam koi guru wakin dinka no igi sigire studio kalangu sigire labar tabbatan ten aigo ga nadia fo kan go balla yara aigo ga zainab balla yara aigo ga aigo ga itantifo ka ibrahim daba bani zumbo aigi studio tolongo hangan gumo gumo si jiɗay kiigete a fof fo irgogi hangan zo kudungu sijira inir bome feri irga hangan wai borai sijira te atalata kulu furo te jaiwa irga hangan ir gogudunga bon fere chim chimi fero ke bon fera ir goguduwa gumgumo ir goga fahammo da hankan agogati nda nizar circulon gomo din kulu kalamu koyal zuma ir gogan hangan ir a abon fere gumgumo stido kulungu sijiro mambai kirdaru ir goga hangana sai da kimin da niger circulon ngan koye ki kigeti se do kokoro kani goga kande kulu ir goga hangani se cimicimi ir mogi fondo goyi ir ko mo kondi se goyo de jine da bo Allah sa kulu kai goga ir non da nga fama ir koye mo konda ir se de jine iga fo gambi kango ballayara da diza. kango Fin de cette émission de ce mercredi 1er mai 2024. Rendez-vous est pris demain à la même heure et avec un nouveau duo bien sûr. Vous étiez en compagnie de Habiba Ahmed et Fanta Chamsou. L'édition a été assurée par Adam qui à la technique, c'était Amina Hassan.